la deuxième cam ñëw leen. moom mooy faut waaw première fois bañ noonu président deuxième dame yegg seen kàrkalla macha allah le leader de la de la jeunesse sénégalaise. Thank you. Madame la première dame. Presque. C'est non non kii. kan demal demal kan demal. vas-y. c'est bon. yaa mën yaa ëpp doole. yaa mën yaa ëpp doole. yaa mën yaa ëpp doole. da ngaa jëm rek yow. barke sëñ Bamba xalaatoo. da ngaa jëm rek yow. sëñ jëm président de la Sénégal. sëñ jëm président de la Sénégal. jëm rek dóor. miwima mboɗo wawi mi wowa toro ko wonde dawani sowde dewi e nder bawɗo bawɗo koye oɗo koye barigal yiyata yarata bonnugal ɗon ɓeɗa mbabba koɗoɗen koyngal ko nannaɗo ñaani heewi yetta say kala ma ɓuura ɗo e leydi hay goto ɓuura e ma e leydi

C'est bon, C'est bon, c'est bon les gars, le comme le veut la tradition, le chemin demandait à la régie de pour démarrer cette activité, s'il vous plaît. Tout le monde se lève. allo allo waaw سنة ليل ما يخل سبرت لنا مصر تربي كنت دارين دفعي تيجا مقابلة ويستلت بردنا يستلقل الشوز وشوز فرزة في المعرض ولو ما نلاقي بلو ما ندخل شوه لم تزال مكسرة بسمعنا وحدد يا رب لما تسي السكرة نتاتين أكثر من ثلاثة ريال من الوحيد وفكرة من تكلم الله لما تشوف جديد ما يسكر يلا يجي Parce que gis naa ne jàmm conjugué le verbe émergence te nekk ko ci biir taxoon li nga xam ne mooy émergence moo taxoon tey moo wóoroon di leen jéem a baax bu fekkee ne nangu ko xam naa ne ndaw yi la topp ak jigéen yi la topp yàgg na lu leen topp te dugg ko ci politique te nga am jafe moo taxoon tey a faral am na mbër boo xam war a jàkkaarloo yow. waaye damay xaram ne est-ce que duñu wax dara ko jël bañ ko daan daan jël wala suba mun nga ko mel na rek bañ ko jaaxandu mun nga ko mun a faw waaye bu ko bu ko def jàpp ndigg parce que booba Sénégal ngay daanam di la wax na ne vraiment ci ci politique bi gis naa ngay waxee dafa am solo parce que gis naa ne vraiment sa discours discours républicain la ne prennent pas la violence saa yoo wax yaa ngi wax yaa ngi def fulla ak fayda te tous les candidats yi may déglu dañuy verser dans la violence wala des manifestations yoo xam ne c'est pas du mort loolu c'est fou c'est fou te yow li ku baax la donc man ce que je voulais mooy yéen waa parti bi yéen laa laaj tout le monde duma ko laaj ndax bëgg ngeen samay dimbali ma rek mbir yàlla 5학년은 뭐라고? 그기라나 웬일이 qu'il n'y a pas de problème problème amul y a pas de problème Sénégal président bu fi toogee jox nañ ko lépp day am. nga koy mën a pare li ma ko doon doy te pexe benn ndaw pexe bu ko roofee ndaw yi ñu jàppale sa bopp ñu jàppale sa bopp yi loolu mooy def Sénégal bu tënk. yéen li yërmande ci état yi fi nekk yi fi jot a jaar yëpp amuñu yërmande ci jigéen amuñu yërmande ci jeunesse sénégalaise comme que yàlla nekk na ma yërmande as tuut dinaa ko bokk ak yéen dinaa ko partagé ak yéen man président yi Kassay et dama bëgg aussi mobilisation bi mu bañ a nekk mobilisation boo xam ne day propagande la naturel ci yéen gëm ne

am na ñu bëgg a àndal ñun pour ñu tabax Sénégal am na ñu bëgg a àndal ñun pour ñu tabax Sénégal am na ñu àndal ñun pour ñu tabax Sénégal am na ñu àndal ñun pour ñu tabax Sénégal jërëjëf. Il faut faire autour de ce symbole-là. mooy membre yi affaire saa yi suivre pour demain dafay naan merci beaucoup jërëjëf merci.

à cette cérémonie bien instituée et célébrer avec la jeunesse sénégalaise une nouvelle vision de la politique et de l'engagement citoyen. Mes chers sympathisants, je vous retrouve avec plaisir dans cette belle salle du Grand Théâtre Bouboudia et Boukoros. Je tiens à remercier toute l'assistance. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée m'en a autant qu'elle me Je mesure la responsabilité qui m'est donnée et je tiens donc déjà à vous rassurer que je mettrai toute mon énergie, toute ma passion et tout mon engagement au service du Sénégal et des Sénégalais. Vous pouvez compter sur moi pour relever à vos côtés les nombreux défis qui nous attendent afin d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. J'adresse à chacune et à chacun de vous, notamment les nouveaux membres et les sympathisants, le message de bienvenue. Mesdames, Messieurs, en ce jour si spécial, j'ai une pensée pieuse pour mon défunt père, Feu El Haj Amadou Salle. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis céleste. J'en profite également pour rendre un grand hommage à ma tendre mère, Adia Mariam Sobo. Grande dame sensible, tendre, généreuse et forte à la fois, que le bon Dieu t'accorde de longue chère mère. Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier mes proches et tout particulièrement ma famille, mes dames épouses et mes proches collaborateurs. Je sais tous les parents qui travaillent avec passion, loyauté et sens du devoir. Je sais les efforts que vous avez consentis sans y réfléchir à deux fois, mais dans les moments difficiles que nous avons traversés depuis le début de cette aventure qui a bouleversé notre quotidien. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai une pensée élue pour tous nos jeunes qui ont perdu la vie dans les traversées des mers à la tête d'une fumée. Plus d'une centaine de milliers de jeunes personnes, dont beaucoup ont quitté notre pays voilà un autre symptôme de la situation complexe qui s'est créée. Je ressens avec mes parents comme une grande saignée. Chacun parmi nous peut comprendre le rameau de beaucoup de mères et de pères. Nous avons subi bien des pertes humaines. Nous souffrons encore longtemps de cette blessure. Et je vous demande d'honorer 10 minutes de silence. Paix à leurs âmes. Cette campagne il nous faut le premier à la tâche de à la jeunesse. Autour d'un programme et de venir développer ce programme devant tous les Sénégalais. Je le ferai avec sincérité et loyauté en évoquant successivement les principaux enjeux qui sont devant nous. Je serai ambitieux pour notre jeunesse qui représente l'avenir du Sénégal. Je continuerai à accompagner la réussite de nos jeunes et leur épanouissement en leur garantissant les conditions d'études optimales et en poursuivant la diffusion la plus rapide du savoir sur l'ensemble de nos territoires. Loin d'être un simple suivi pour demain, est un appel à la mobilisation, à l'engagement et à l'action. Un appel pour un Sénégal plus sûr, préservé, solidaire, innovant et attractif. Un appel pour un Sénégal fier de son identité, de son histoire dans la modernité. J'appelle le monde agricole, j'appelle les intellectuels qualifiés et engagés, les chercheurs, les étudiants, les artistes, et tous les travailleurs culturels, les ingénieurs, les enseignants les médecins. Plus que jamais, nous avons besoin de, votre expérience et de vos conseils qui ont donné une empreinte originale à notre pays. J'appelle tous les dirigeants les chefs d'entreprise priorité sera donnée à celles qui travaillent, qui travaillent, investissent et recrutent chez nous. J'appelle les femmes qui sont les plus indispensables dans la famille, la vie active et dans la société. Sans elles et sans leur travail, notre société ne voudrait pas que cette moitié. Nous avons besoin de vos talents et de vos aptitudes, de votre engagement admirable pour le bonheur des familles et du peuple. J'appelle les artisans, les commerçants, le fournissement un apport important à notre société, le Sénégal de demain veut dans le avenir rassuré. J'appelle les soldats, les membres des organismes de protection et de sécurité. Je sais apprécier votre engagement sans faille dans la protection des biens et des personnes. J'appelle nos anciens combattants et les pionniers de la première guerre. Ce sont eux qui ont posé la première pierre nous leur témoignons notre respect et notre reconnaissance éternelle. J'appelle les familles religieuses, les représentants de l'Église et tous les croyants de notre pays. Le Sénégal a besoin de vous et souhaite votre coopération. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Enfin, j'appelle la jeunesse sénégalaise. Sa participation à l'édification de notre société est caractéristique de notre pays. Nous promettons d'aider la jeunesse que notre pays à réaliser de manière consciente le sens de leur vie dans notre société. La jeunesse veut et doit prendre une part active aux décisions qui concernent sa vie. Il faut qu'il puisse bien encore se réaliser. Elle a besoin de notre confiance et elle veut assumer ses responsabilités. Elle a besoin d'une attention plus grande de la part de toute la société, des parents, des réformes et des institutions. Mon investissement Auprès de vous sera morale, intellectuelle et pédagogique, car c'est un investissement pour l'avenir du pays. J'appelle tout le monde à participer au travail, à la planification et au redressement de notre pays. Je suis convaincu qu'avec des hommes et des femmes de bonne volonté, et surtout des jeunes, conformément à l'esprit à l'esprit et à l'aide du mouvement celui pour demain, aussi la l'idée que je me fais de ma mission, l'avenir sera gagné. Alors, vous avez dit celui pour vous C'est un grand oui. Oui pour être candidat à aux élections présidentielles du 24 juillet 2024. Oui pour porter votre pouvoir. Oui pour mener la loi ensemble. Oui pour gagner ensemble. Chers sympathisants, chers camarades, je suis fier d'avoir à mes côtés des jeunes engagés qui ont joué leur différence et qui en ont fait une richesse. Leur diversité incarne le visage de notre beau pays que je veux rassembler autour d'un grand dessin, celui de faire du Sénégal l'un des pays les plus entreprenants et les plus beaux à vivre. Chers partisans, chers camarades, ils nous nous pour aujourd'hui, sommes nous pour demain, vive la jeunesse, vive le Sénégal. en français ngeen baal ma wax tuuti wolof